Euh, il me faut préciser en amont euh, que euh, cette trentaine de plaignants est constituée d'anciens salariés effectivement de la Polinac et de son mais pas seulement, également d'habitants de villes d'Arlit et d'Akokan. Parce que en réalité, donc l'objet de la procédure, c'est la violation par la République du Niger, d'une part du droit à un environnement sain, un niveau de vie suffisant, euh, du droit également à la santé euh, et au droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et euh, de leurs ressources naturelles, qui sont donc garanties par les articles 21 et 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Euh, votre plainte, euh, c'est seulement contre l'État du Niger. Alors, maître, euh, pourquoi l'AREVA, qui est aussi en partie responsable de la dégradation de l'environnement, n'est pas concernée par votre plainte Alors, la plainte devant la Cour de justice de la CDAO est contre l'État du Niger, car en réalité, cette Cour a la compétence pour entendre les causes contre les États qui sont membres de la CDAO et qui ont manqué donc à leurs obligations en vertu des textes applicable par, euh, devant cette Cour. Et en ce sens, elle a compétence pour euh, interpréter et appliquer les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, afin donc d'assurer la protection des victimes euh, des violations graves des droits de l'homme. Et c'est pour cette raison que seul l'État du Niger est visé, puisqu'elle n'a compétence que pour les causes qui visent des États. C'est une telle action en justice requiert d'une part un courage et, traduit un besoin en réalité impérieux de justice, euh, puisque cette plainte, donc, elle intervient maintenant car c'est le fruit d'une longue maturation et euh, la conséquence en réalité d'un lien de confiance qui a été euh, rompu. et ajouter à cela qu'en matière d'ailleurs contentieuse qui touche à l'environnement et à la santé, bien souvent les maladies et les impacts environnementaux mettent du temps à voir jour. Et en tout cas, lorsque ces signes sont apparus euh, pour euh, les plaignants, euh, par le biais notamment des rapports d'ONG locales et internationales, mais aussi par les divers hein, témoignages qui ont été relatés depuis plusieurs années sur les cas de malformations, sur les cas de problèmes sanitaires et au niveau également de l'exposition au radon. Euh, bah, les plaignants ont dans un premier temps euh, toujours voulu faire confiance en réalité euh, aux sociétés exploitantes et à l'État du Niger. mais en réalité, c'est notamment l'affaire de Serge Benel qui a commencé à, rompre ce lien de confiance, ou pour cet ancien expatrié français salarié donc, de la Comunac. Euh, qui a donc intenté une procédure euh, en France. Pour lui, il avait été reconnu un lien de causalité entre l'exposition au radon et euh, son cancer pulmonaire. Et donc la question qui s'est posée, c'est que pourquoi cela est reconnu pour un expatrié français et pas pour des anciens salariés nigériens qui s'estiment victimes de, maladies respiratoires et autres, et pour lesquels les interlocuteurs qu'ils ont eus, c'est-à-dire euh, par exemple l'Observatoire euh, de la santé euh, régionale d'Agadez, c'est qu'il n'y a aucune maladie en lien avec l'exposition au radon de cette ampleur qui n'ait été diagnostiquée. ce qui interroge, puisque entre le tout et le rien, il faut qu'il y ait un, juste poids, une juste mesure, ou en tout cas une réponse à ces questionnements, et cette réponse n'a pas été fournie euh, selon les plaignants, euh, par l'État du Niger, euh, parce qu'ils ont eu l'impression que leur voix a compté et compte moins que la voix des sociétés exploitantes et que l'État du Niger se range plus facilement derrière les propos et les rapports et les dires des sociétés exploitantes que de la population locale. Et donc c'est en ça que ça a été le fruit d'une longue maturation et euh, finalement euh, où seule cette solution euh, s'est imposée pour eux. Alors les requérants ne sont pas dans cette démarche de faire des, injonctions, de faire ou de ne pas faire de cet ordre-là qui concerne donc l'économie générale du pays. Mais en tout cas, les plaignants, eux, incitent et souhaitent que leurs paroles soient entendues et que l'État du Niger soit euh, contraint de réaliser des études indépendantes et approfondies sur la qualité de l'eau, de l'air, des sols et sur les conséquences environnementales euh, de l'exploitation minière euh, d'uranium tant à Arlit qu'à Cocane, mais aussi de diligenter des études épidémiologiques indépendantes afin de déterminer les causes réelles des maladies et des décès qui affectent les anciens salariés de la Communauté à la Somaïr, mais également les habitants euh, autour de ces cités minières euh, situées à Akokan et Armit. Et enfin aussi d'enjoindre euh, le Niger, l'égard à la réhabilitation des sites exploités et relativement à l'annonce notamment de la fermeture de certaines de ces usines, et eh bien de, décontaminer les différents sites miniers, qui comprennent également les habitations qui sont impactées euh, ainsi que les matériaux issus de, cette activité qui sont de fait utilisés euh, par les habitants de, de ces villes.